Aujourd'hui, le métier du journalisme fait face à un nouveau type de médias, les réseaux sociaux. Quel est son impact sur le travail journalistique Avec l'expansion des technologies de l'information et de la communication, et qui permettent aujourd'hui euh, à plusieurs plateformes euh, de se développer comme les réseaux sociaux, la pratique du journalisme est fortement impactée parce que les réseaux sociaux se révèlent à la fois comme une source d'information, mais également euh, comme, euh, si vous voulez, euh, un phénomène qui abîme en quelque sorte le, le travail du journaliste s'il ne sait pas comment s'y prendre. L'impact, d'une part, est positif parce que euh, à travers les réseaux sociaux, les, les journalistes euh, a accès souvent à de l'information, il a accès à des débats, il a accès à toute une panoplie euh, de, de, possibilités qui lui permettent de faire bien son travail. Mais vous savez, quand on est journaliste, cela suppose qu'on est pourvu de capacités de, collecter, de traiter de l'information. C'est ça la différence, par exemple, euh, de manière basique, hein, entre le journaliste et euh, l'internaute qui a été témoin par exemple d'une scène ou qui a une information et qui la balance comme ça sur son profil, vous journalistes vous ne devez pas prendre cette information et la diffuser dans votre média sans euh, soumettre cette information au crible de la vérification, du recoupement qui font que euh, vous, vous êtes un professionnel de l'information. Mais très malheureusement, et c'est ça l'impact négatif euh, que je perçois, c'est que euh, dans la plupart des cas, les journalistes euh, eux-mêmes ne fournissent pas d'efforts pour travailler en tant que journaliste Ils constituent des, facteurs d'exacerbation, d'amplification de certaines informations qui sont des fake news. Euh, eux-mêmes, ils consomment sans discernement euh, certaines informations qu'il trouve sur les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux qui est euh, non seulement qui est vrai, mais qui est diffusable, parce que euh, il faut faire attention. Le journaliste est soumis à des règles d'éthique et de déontologie. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, quelle est la, la, posture que doit adopter le journaliste La posture que le journaliste doit adopter, c'est une posture, j'allais dire, basique par rapport à tout type d'information, le journaliste doit euh, garder une certaine équidistance, il doit garder une certaine incrédulité jusqu'à ce que lui-même, il travaille sur la question, et parce que vous voyez, quand vous avez une information, vous avez la possibilité euh, de vérifier l'information, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le traitement de cette information. Et c'est à partir de ce moment que vous pouvez euh, vous assurer de la véracité de l'information, mais aussi euh, de son caractère diffusable, parce qu'une information, elle peut être vraie, mais il se trouve que peut-être euh, il y a un problème par rapport à sa diffusion. Et d'où euh, la question de la responsabilité euh, sociale du journaliste, parce qu'il faut mettre dans une balance l'information. Est-ce que si je la diffuse, elle ne serait pas de nature à exacerber des tensions, elle ne sera pas de nature à compromettre la paix sociale, etc. Donc, <coughs> le journaliste peut faire preuve d'autocensure euh, en mesurant, en se disant que euh, la diffusion de cette information pourrait être nuisible euh, à ce qu'on appelle la paix sociale. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux influencent le traitement de l'information mais naturellement, vous savez, euh, depuis que les réseaux sociaux ont fait leur émergence, euh, on peut dire que le journaliste n'a plus l'exclusivité de l'information. Il n'en a plus euh, parce que aujourd'hui, beaucoup de citoyens deviennent eux-mêmes des générateurs d'informations, des générateurs de news, parce que vous pouvez, en tant qu'internaute, être témoin d'une scène. Vous avez votre smartphone, vous filmez la scène, vous la diffusez. Mais le, journaliste peut, à partir de ce que vous avez diffusé, aller faire son historique, c'est-à-dire lui, maintenant, il a des bribes d'informations, il a une piste qu'il peut exploiter pour voir ce que vous avez diffusé. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas une information qui aura été décontextualisé parce que souvent c'est très courant sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est une information euh, telle qu'elle est présentée par l'internaute Est-ce que c'est comme ça qu'elle se serait présentée Parce que vous devez vous donner encore une fois les moyens d'aller à la vérification. Donc c'est un outil euh, nécessaire. Euh, j'allais même dire que de nos jours, il est inconcevable de de, travailler en tant que journaliste sans avoir une sensibilité euh, aux réseaux sociaux, euh, en tout cas. c'était la question que j'allais vous poser justement. Qu'est-ce que les réseaux sociaux représentent pour le journaliste nigérien Mais c'est une source euh, d'information. Et comme toute source d'information, c'est à consommer avec beaucoup de discernement et de modération.